Bienvenue à vous la MIFA et hello à tout le monde béggee nañ ziar nañ bu baax te di Kenza comme d'habitude votre adorée animatrice de luxe votre petite chroniqueuse merci et bienvenue sur notre chaîne YouTube Kenza 221 la chaîne des news la chaîne des plus belles chroniques non mais je vous le jure la chaîne qui vous fait vivre les meilleurs moments du game donc yo, mi nga maintenu jusqu'à présent abonné go sama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 après yéen tamit ngeen mën a wax seen xalaat ci commentaire yi légui les lay juste après l'intro bi. De retour les gars pour continuer la très belle vidéo qu'on avait commencée. Et comme nous m'allons couvrir excellent trobi, aujourd'hui nous allons parler sur la liste des projets qui devront sortir en 2021. Alors, si vous regardez l'année 2020, projet yu top yu nice yu cartonné aussi comme l'album de Ngaka l'album de Samba Pozi, celui de Popesa de Les Diwan et autres projet yi yépp année 2020 bi lañu et vraiment ils ont cartonné mais pour l'année 2021 nous avons la liste des projets qui devront sortir comme celui de Deep Doundou intitulé intitulé 15 n 4 l'album de Dizzy l'album de Heikil, le projet de Omzo Dale, peut-être Voldeur de Ngaka Blende, 4K de Jay, peut-être aussi le projet de Paco Breeze, l'album solo de Authentic Zeus, l'album de Cool Dis à Jay Le Banks. gis ngeen nak projet yi ñoo war a génn ci biir année 2021 bi peut-être Voldeur de Ngaka c'est pas sûr mu génn peut-être aussi le projet de Paco Breeze moom tamit c'est pas du tout sûr mu génn donc les amis ñoo ko gisandoo nañ xaar ay projet ci biir année 2021 bi gis ngeen ni ñi koy génne yépp ay ndaanaan lañ te kenn dootu leen présenter nulle part vraiment kon ñu ngi xaar xam ku ci nekk lan nga ñuy indil léegi nag passons aux questions yan genre sawon ngeen xaar ci chaque projet ban projet ngeen gën a yàkkamti entre ces projets qui devront sortir dans l'année 2021 et en plus ñeneen ñan ñoo war a génnewaat projet ci biir année 2021 bi wala ñeneen ñan ngeen am yaakaar ni dinañ génnee projet ci biir année 2021 bi vos claviers bàyyi mu donc lii laa leen indiloon tey c'était votre Sista Kenza n'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche de partager et surtout de liker Comment le aussi, je suis sur Instagram sous le nom de Kenza l'officiel, ma page Facebook Kenza221. Et aussi, avant de vous dire au revoir, s'il vous plaît, n'oubliez pas de porter vos masques, utilisez les gels, évitez les rassemblements. La maladie est bien réelle today fat Fagarunak fagaru gën faju précaution pour Restez bien connectés rendez-vous très bientôt Kenza 221 Leon. woon jàmm ci ñëpp am peace and love et gros bisous à vous.